Alamine Boutique est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires sénégalais. Notre mission est de vous donner accès à des aliments locaux de qualité qui participent à votre bien-être et celui de vos proches au travers d'un commerce équitable. Alamine Boutique, c'est aussi le choix de la qualité et du goût de produits locaux soigneusement sélectionnés et triés sur le volet. Acheter des produits venant de tout le Sénégal sans bouger de chez vous, c'est possible avec Alamine Boutique. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits qui font la richesse de notre gastronomie locale. Arao et Chakri, Central, kenkeleba, pâte d'arachide et bien d'autres mets. Nous avons une unité fonctionnelle qui respecte les normes de fabrication de produits alimentaires et des points de vente un peu partout à Dakar. Consommer Alamine boutique, c'est favoriser un développement de notre économie locale. consommons juste et consommons local. asalaamaaleykum mbokki internet Jotna TV man Rokhaya Diop maa ngi leen di nuyu di leen ziar mu doon mbégte di leen présenté seen ñetteelu reportage wàllu waa kaw gi tey nag dañuy dem ba Cap Skirring mu bokk ci région Ziguinchor nekk ci département bu Oussouye mu doon bërëb bu yanju lool di dajale at bu nekk ay junniy junni doomi aadama yu fay ñëw di visité ak a féexal seen xol mu yëkkati ak dooleel loolu économie réew mi ginnaaw loolu yépp gis nañ ne mi ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe yu baree bari looloo waral le 30 mai 2020 passé mu am ay manifestation yu fa jotoon a jóg ba benn soxna ñu jot ko cee gaañ ci bët lii waxal na ñun équipe na TV ñu dem ba foof ci Cap tàll suñu micro ñenn ci ñi fa dëkk ngir ñu wax ñu lan moo loon émeute yooyu ñu bàyyi leen kàddu gi ngir ñu wax ñu yan jafe-jafe la ñuy jànkuwanteel foofu ci Cap Skirring. depuis mois pratiquement dañu installé benn panel. Nous avons le Cap pour le développement du Cap sikering ma bokk responsable yi ñu waxtaan ñu par étape parce que Cap lu manque, euh, manqué nañ priorité bi aujourd'hui ndox parce que si nous fait état nous forages ou même plus de Nous amuñu parce que dëkk bi avons mi ngi ndox di Casamance donc nous avons une population Cap depuis pratiquement 72 nous ngi vivre ak ay nous avons alimenté le ñuy alimenter Cap faut que la population bi di naanee fa la ñuy le alors si nous décidons, décidé ñu des dañuy nous benn document dem sous-préfet Nous avons outil autorisation parce que nous avons fait junn ko mais pour dem nous ko nii nous devons point de presse Nous devons respecter le dañuy respecter euh, ku nekk maximum dañuy respecter un mètre de nous faire 30 personnes Si nous avons document des ñu nous ko le 27 ci bureau sous préfecture ñu fekk mu

pour yëgal ko ni dañu japp pour def ben point de presse bo xamni population bi kessé lañu wax entité bu nekk duñu sax romb 30 personnes dañuy wane juste suñu téni dañu oo presse ba pare dañuy wane suñu téni yi wow nañu def ben conférence yëgal Sénégal ni ñun mënuñu dund suñu biir kër yi té amuñu ndox lolu kessé lañu bëgg def mais fan yii yëpp ñoo ñun depuis le 27 gisunu ko té suba lañ koy def ñu ne bàyyi ñu bàyyi fi document bi pour nga joxal ñuko ko jabaram nañu amul ben problème bu ñëwee dina ko jox. man ma toog sama kër ba ay 20 mu oo ma mu ne ma Matar mu ne ma mu ne ma sama jabar jox na ma seen document bi li ngeen bëgg a def mu ne ma comme ñun dañ ko bëggoon def rond point mu ne ñu mais bu leen ko def rond point parce que dama nekk di joxe ceeb bi fu mu ne nii loolu moo tax fan yëpp gisu leen ma mais bu leen ko def rond point rond point moom bu leen fa demee lu leen fa fekk yéen la ñu ne ko baax na kon du ñu dem rond loolu moo tax ci diggante bi ñu ootante ne léegi duñ ko defaat rond dañ ko def euh, école bu nekkee itam école nous respectons la distance 1 mètre, nous sanctionner max. Nous avec journaliste, nous commencé à faire des journalistes. Si nous avons vu caméra journaliste, nous avons commencé à faire des Déjà, nous avons eu des scènes lacrymogènes, Ils étaient bien armés. Nous avons eu des choses. Nous avons eu des choses. Nous avons eu des problèmes. Nous avons eu des Nous avons eu des conférences, des points de presse. Alors, si nous avons eu des choses, nous avons eu des choses. Nous avons eu des choses. Nous avons eu des choses. ci oto bi ñu diggante boobu rek jàpp nañu cinq cinq jeunes te jeunes yooyu sax bokk dañu ñëwoon xool ñu jàpp cinq jeunes keneen ki dafa doon dem faro dimbale yaayam mu yore benn benn bant golf ñu jàpp ko pour ñoom dafa indi euh, bant bi ci événement bi fekk ñun ma ne la xeer sax yoruñu ko diggante boobu nag moo am benn kamion bu ñëw ne day jàll gars ne ko mais yow defal ndànk yow ñun ñu ngi taxaw ni nga bëgg a ñëw jàll rek nu mu en arrière rek ñoom ñu commencé sànni ay lacrymogène

il a fallu ñu génn ba nit gaañu parce que je huit balles ñu for yu réel ni mënon na ma dal mënon na si kenen mënon na si kenen mënon mënoon si man tay sax demuma foofu parce que c'est regrettable ni population dem bay bay joytu ndox ba door ko ay bal réel ba mu am ay blessé yu ñuy faté ñu door ñeu di def ndox c'est ça m'a beaucoup tué je suis vraiment vraiment désolé quoi que tëj man tëj nañ ma ben fan fi parce que dañu considérer ni ñun ñoy leader yi

Euh, macha allah jël suñu précaution yëpp parce que jël nañu ñaari avocat ñu nu défendral euh, bon vraiment nu ci si génnee yalla nous sommes nous pour nous ñoo vraiment même borom ñax bi sax gens na ni bali ñoo ñoo mais le lieu dañ ko nous suñu kaw ne ñun fay ñax bi. qui fal président fal parce que peut-être population lambda du xam valeur ou lotissement parce que il n'est pas question de nit que nous ñuy comme ay ay du du donc duñu wax ni mënuñu ko dëkk lu mu fort fort fort je pense état tey bu buggee def li nga xam ni euh, nar nako def daf ko nara def parce que plus que ñuy bayyi nit ñi dañuy dëkk plus que ñuy bayyi nit ñi dañuy tabax donc du dëgg du yoon on est on est un pays de droit donc nar nañu am comme ñëpp lu ñuy am bu baax sax dañ ko ci jappalé parce que ñun euh, caaxaan taxu ñu jog lu ñu bëgg moy légal ñu dund ci légalité donc li nga xamni ni yoon la dañ ko ci jappalé loolu mom du du du lu ñuy xalaat midi 14 dañ ko ci jappalé parce que loolu moo ñu tax waaw moom suñu ñaxtukat bi fii moom ak beneen xale moom ñoom ñoo tombé si ay bi amoon noonu bal yi gars yi tiré bal bi mooy fetal yi bon jàppal ñun jàppal nañ ni fetal la wala du fetal mais nag ñun moom dara wóoruñ ci e far nag maam sey euh, yàlla def nag mu bokk suñu gaañu mu gaañu ci bët

jour bu ñu ko gisee ñun sax bu ñu ko gisee jour boobu bu fekkee ñun ñu doo waxtaan ak moom di leen di xamal ni maam Seye mu ngi si jàmm dara jotu ko à euh, bët bi mu si jàmm franchement gaañu gaañu yi wax noonu xam ma ndax si si la wala dañ ko bind quelque part mais euh, kenn décédé wu fi kenn gaañu wu fi xanaa bët bi ñu laal. blessure bu garaawoon nag trop sax trop trop trop waaw ñàkkum ndox bi. lu ñu njëkkee na wax man fekkee naa yeneen réunion yi ñu njëkkee na wax mooy ñun suñu napp doo bi biir kat si boppam dañu ne napp doo bi baaxul bon kooku sur le plan euh, euh, scientifique xam nga ñu ci yëngu si liggéey boobu ñoo ñu xamal ne suñu ndox napp doo kat bi baaxul donc fu ñu am ndox moo si yeneen dëkk yu yi nekk fii nii mën a creuser ay forage pour kat mën a am ndox ñun yàgg naan <laughs> ndoxu teen wala gars yi di ay bidon diñu koy moom la te ñëpp xam nañu loolu ah, ak kat fu mu toll ak lu mu am ah xaw na doy waar ñun tam mënoon nañu yeew ubbi suñu robinet suñu ndox du koy du di ci mais amuñu ko ci dëkk sur le plan international ñëpp xam ko ñëpp xam dëkk bi ak dëkk fu mu toll ak gouvernement bi commune bi c'est des communes les plus riches du Sénégal

nga xool Cap Skirring moo kii Cabrousse am nañu ndox am na ñu robinet ñoom au bu Boucotte kër goo dugg am nañ ndox waaye sauf Cap Skirring dañuy sonn amuñu ndox moom dañuy il faut ñu jënd ndox dañuy jënd ndox teen yi boo amul ndox rek dañuy jënd suñu teen yi moom pour nga am ndox ndox bu neex ñoom fu ñu koy rootee dafa sori te teen bi day dem ba ndox bi changer couleur léegi pare nga teg ndox bi def ko eau de javel teg ko ba mu teey nga seggu ko nga mun koo naan sinon ñu am xaalis ñoom dañuy dem jënd Evian 10 litres yi di ko utiliser non eau de javel wala ñu am comprimé kii bi Aquaterre bi def ko ci moo ñuy may chance de waaw mais sinon xanaa dangay segg boo seggee sa ndox nga def si eau de javel nga mun koo naan doon dañ koy léegi ñun temps yi sax la ñu am robinet bu ñuy def nii si koñ te boobu ah, da ngay rang ba sonn yenn saa yi dañuy rang ba ngay bëgg root ñu ne la robinet bi amatul ndox ñu tëj lu muy ñàkk ndox moo ëpp loolu lu muy am ndox parce que courant sax bu coupé ñu ne ndox bi du am bon sell na daal set na nii mais neex moom neexul comme ni ngay santé ndox bu neex bu ñu bëggee ne ndox bu neex ndox teen bi ak ndox robinet bi dafa am différence mu mel ni nekkee nu yi foofu si Cap Skirring bokkul ak bu population bi ndax nekk nañ di jànkuwanteeg jafe-jafe yu baree bari ñu mën cee lim ñàkkum ndox mi looloo waral émeute boobu sax nga xam ne jotoon na war réseaux sociaux yi ba ñenn ci médias yi di ci wax amoon kenn nag ci ñi jiite woon émeute boobu mi ngi leeral ne ñoom jóguñ woon taxaw ngir def manifestation waaye point de presse lañ jëloon ci njëlbeen bëggoon cee waxtaan ak préfet bi waaye jotuñu woon toog séq ak moom waxtaan boobu bañ taxawalee nag nela la mais lañuy def seen point de presse gis nañ ne gendarme yi ñëwoon nañ taxaw yor seeni gànnaay ba tax tiire nañ fa ay bal ba gaañ fa ñenn ci ñoom bañ koy def fan la autorité yi nekkoon ana lan moo waraloon gendarme yi ñëw indi ay gànnaay ngir am ci lu ñu leer tàllal nañ suñu micro ñaar ci représentant OFOR yi meeru commune bi ak kenn ci ñi nga xam ne moom représenté médiation bi entre population bi ak autorité yi ñu bàyyee leen kàddu gi. Dans le cadre du BCI, il y a deux forages qui ont été déjà réalisés. Et dans le cadre du programme d'urgence communautaire, le PDC 3, que le fort a eu à conduire. Deux autres forages ont été réalisés. Deux châteaux d'eau. 26 km d'extension de réseau. 8 de fontaine Des stations charrettes. Autant pour cap securing Cabrousse, et les autres villages environnants. Le maire l'a rappelé tout à l'heure, on est dans un endroit où l'eau est saumâtre. À cause de la cohabitation avec la mer, mais également les bolons. Si bien que c'est la nappe superficielle souvent qu'on peut utiliser et il fallait quand même procéder à des études qui devaient nous rassurer. Et d'après ces études, en tout cas jusqu'en 2036, l'eau sera encore abondante pour pouvoir desservir toutes ces populations. Et Michel le maire, nous avons bien noté la requête. Ça ne va pas s'arrêter là. L'État va continuer encore à appuyer dans le cadre des extensions et des branchements sociaux. C'est pourquoi il faut saluer l'esprit des jeunes, tout à l'heure je les ai entendus parler. Effectivement, c'est un incident qui aurait, dû être évité. Et je crois qu'ils l'ont regretté également. Peut-être la communication avait fait défaut, mais je crois, comme l'a dit le président du conseil départemental de Bignonan, avec la patience, la concertation on peut arriver à se comprendre, poser les doléances, voir les solutions les plus idoines pour mettre les populations à l'aise. Mais compte tenu du contexte hydrogéologique particulier de la zone, il fallait faire ces études pour vraiment, en tout cas, identifier les zones sur lesquelles on pourrait réaliser des ouvrages pour l'approvisionnement en eau de population. Donc c'est à la suite de ces études qu'on a réalisé ces quatre forages, ces quatre ouvrages. Aujourd'hui, les deux sont équipés d'équipements d'exor de pompes et de, groupes hétérogènes, mais également de châteaux d'eau. Donc pour dire qu'avec ces deux ouvrages, l'État a mis en place un système qui pourrait en tout cas assurer l'approvisionnement à nous de toute la zone. Maintenant, dans le cadre de ce, programme PUDC 3 financé par la Chine, nous avons réalisé ces ouvrages et aussi un réseau, un réseau à travers tous les villages avec des bonnes fontaines. Pour le moment, c'est un forage qui avait, euh, qui avait pour objectif, dans un premier temps, de toucher les populations, en tout cas d'impacter les populations des, des, communes concernées à travers ces bonnes fontaines. Maintenant, ce qu'il fallait faire, c'est étendre le réseau pour se rapprocher davantage des usagers, mais aussi permettre aux populations d'avoir, de bénéficier de, de branchements sociaux. C'est sur, ce projet qu'on était en train de travailler avec le maire pour maintenant continuer le travail qui a été déjà fait pour permettre aux populations d'avoir de meilleures conditions d'accès à l'eau. Malheureusement, il y a eu cet incident entre-temps. Peut-être c'est un problème de communication, mais le plus difficile était déjà fait. Parce que les ouvrages structurants qu'on a déjà réalisés à coût de centaines de millions, pour assurer l'approvisionnement en eau était beaucoup plus difficile que la réalisation de branchements sociaux. Bon, en tout cas, cet incident, mais déjà, on travaille ce projet pour continuer le projet, pour pouvoir se rapprocher davantage des usagers. Aujourd'hui, le lancement de ce projet, financé par la commune, donc porte sur l'extension du réseau, mais également l'installation de bonnes fontaines au niveau des différents quartiers euh, de, de cap Mais si vous avez bien dit, euh, la Casamance, c'est la région la plus pluvieuse du Sénégal il y a beaucoup d'eau. Tout est vert. Et donc c'est une contradiction. Nous-mêmes, opérateurs euh, touristiques, hôteliers, moi j'ai l'agent de voyage d'Atatour, mes collègues ils ont les étoiles au Cap quand tu as eu les problèmes, nous avons décidé de comprendre, nous voulons comprendre comment ça s'est passé, la situation. Et nous sommes médiateurs dans cette affaire. Vous êtes le premier à nous poser la question, nous sommes médiateurs dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas compris. On a convoqué au niveau de la commune de Djemberin, ou surtout la station balnéaire de Cap Skirring, le Cap Skirring commence de Mikim, à l'embouchure et s'avance jusqu'à Boudjadjet vers la frontière de Guinée-Bissau. C'est toute la zone là qui s'appelle Cap Skirring. Donc ça englobe les villages de Djemberin, de Boukot, de Cap Erouken, de Cabrandoul et de Cabrous. Donc quand la situation a eu lieu, nous avons un des membres de notre association, le Kilométrané qui est impacté parce que le stock de paille du Clémétrané a pris feu pendant ces événements. Donc, on ne peut pas savoir comment ça s'est passé. Et on a convoqué les gens de divers villages pour qu'ils expliquent comment ça s'est passé. Les organisateurs de, euh, du Cap qui ont organisé cette marche, qui a eu des problèmes, le sous-préfet de, de qui s'occupait de tout ça, était là pour nous expliquer. Mais en résumé, ce que je peux vous dire, c'est un problème de communication c'est un problème de communication que les gens n'ont pas pu prendre en compte. Au final, on a remarqué que la population a raison de demander de l'eau. On ne peut pas être là sans avoir de l'eau. Et le préfet est d'accord qu'ils ont raison de demander de l'eau. Il y a de l'eau cela n'a pas. L'État a mis deux forages. Et ils ont mis des bornes fontaines dans tous les villages qui sur la zone, y compris euh, le, Cap Sirène. Mais ils n'ont pas mis la canalisation de l'eau pour ravitailler la population. Donc, ils ont raison de voir de l'eau. Là aussi, les émeutes, les, la population, les organisateurs ont eu des erreurs de demander à 24 heures pour organiser une marche ou quelque chose comme ça. Donc, le préfet ne peut pas admettre aussi qu'on lui demande la veille, le 29, autorisé Donc, c'est un problème de communication. S'ils étaient ensemble, assis ensemble, on n'aurait pas arrivé à ce point-là. Mais le problème est arrivé, il y a un problème de l'eau, parce qu'ils disent que les puits n'ont plus d'eau, c'est terrible. Les villages à Kamos, même chose. Bocot, même chose. Et pourtant, il y a deux forages qui sont là. Et aujourd'hui, ils nous ont dit que tout, est, tout sera réglé. Malheureusement, c'est dommage qu'il n'y a pas de communication. Mais il faut qu'ils communiquent pour que les choses ne puissent pas arriver parce que c'est dangereux ce qui s'est passé. Ça nous a impacté parce que ce qui n'a jamais existé dans la zone a eu lieu. Des accrochages entre la population et les gendarmes. Là, on ne l'a pas souhaité, on ne le veut plus. Et que la prochaine fois que ça sert, il y a de l'eau, qu'on assume donner des gens de l'eau à boire. Ça, c'est une obligation. Pas uniquement les gens du Cameroun, mais donner de l'eau à toute personne qui le veut, y compris les îles. Voilà la situation que je peux prononcer là-dessus. Même je pense qu'on prend nos communications, Mais aujourd'hui, ils vont trouver la solution. Mais les affrontements, les accrochages, c'est pas normal. En 2015, quand euh, le ministre de l'assainissement et de l'hydraulique était venu là, Mansour nous l'avons donc soumis le projet de l'eau à travers l'étude hydrogéologique que nous lui avons transmise. Il a dépêché quelques semaines seulement ses services pour une contre-expertise qui euh, a eu des conclusions très intéressantes qui ont à la limite confirmé euh, euh, les euh, résultats de notre étude. Et c'est à partir de ce moment-là, surtout sur la base des résultats qui ont identifié des points d'eau dans les nappes aquifères qu'on a, pu envisager le projet que nous avons donc presque bouclé, que que nous allons boucler bientôt. 2017, l'État nous a aidé à réaliser deux forages sur le BCI, le budget consolidé euh, euh, d'investissement. Après, en 2018, l'État a réalisé, grâce au programme du PIDC, deux autres forages, plus la réalisation des châteaux d'eau. Jusqu'en 2019, on a fini, bouclé donc euh, les grands ouvrages par rapport à ce projet-là, avant de connecter tous les villages au réseau primaire. C'est-à-dire qu'à partir de cette zone de production, on a pu creuser des tranchées à travers lesquelles on peut envisager le transport de l'eau pour venir desservir les zones de consommation. Et partout, il y a une forte concentration de population, il y a déjà une borne témoin. D'abord, à la base, c'est dans un groupe WhatsApp. Les gens n'ont pas compris les lenteurs. On a voulu entrer en contact avec eux, vous savez, j'ai dit tout de suite que je ne voudrais pas encore entrer dans, des détails. Malheureusement, euh, il y a eu de part et d'autre, euh, on va dire, euh, des attitudes qui n'ont pas encouragé ce dialogue-là et l'irréparable a été donc euh, constaté l'autre jour. Au début, c'était une déclaration. Moi, en tant que maire, j'avais déjà arrêté la date du 2 juin pour la signature du contrat avec l'entreprise Aquarelle qui aura la charge de dérouler le programme d'extension et de densification du réseau au Cap et de basculement donc, euh, des autres réseaux que ce soit Diemberin, que ce soit Cabrousse, que ce soit Boucotte, que ce soit Boucotte Diola, pour que désormais l'on puisse donc voir comment est-ce que tout cela peut être géré à travers un seul réseau. Le CAP a été créé en 1973. À la base, c'était un peu euh, pour accompagner euh, l'implantation du club net qu'il a à côté. Le club est pour le Cap Screen, ce que l'Egypte euh, l'Égypte et pour le Nil. Le cap est un don du Club Med. C'est grâce au Club méditerranéen que le cap a, vu le jour. Quand les populations qui travaillaient au Club Med euh, donc, devaient rentrer, il fallait un site d'accueil, pas loin du club qui est là derrière nous, le mur est là, euh, où ils peuvent donc installer leur dortoir. Donc c'est un peu de façon sauvage que les populations sont venues s'agglutiner dans cette vasière-là, dans ces rizières-là. Donc fondamentalement dans des zones non édificandies comme on le dit. Donc c'est des zones impropres à euh, l'installation de l'homme. Il y a eu au début un projet de l'État de les caser à travers les fameuses 65 lots autour desquels les populations sont venus s'installer comme à la USAP. De gros investissements privés, personnels, ont été faits sous le regard de tout le monde, de toutes les autorités, de toutes les administrations, jusqu'à ce que la situation soit là aujourd'hui. Le bon réflexe consisterait justement à voir comment est-ce que on peut améliorer les conditions là à travers certainement des mécanismes d'alignement parler de lotissement au Cap aujourd'hui relèverait d'une aberration ou à la limite d'une utopie. Parce qu'il faut régler en même temps plusieurs euh, équations. Il y a d'abord l'équation du lotissement à, proprement parler. Il faut carrément raser parce qu'en réalité, la plupart des maisons qui sont installées le sont sur des sites impropres euh, à la construction, aux activités immobilières. Ça, il faut carrément les raser. Mais après, il s'en suivra la question du dédommagement. Je sais que le littoral, c'est quand même un service, euh, un patrimoine euh, national, un service public. Sur le littoral, on ne doit pas poser n'importe quelle activité. Parce que le littoral, à proprement parler, est quand même euh, un espace suffisamment précaire parce que ces éléments constitutifs sont faits de matière tout à fait jeune et précaire. Dans le littoral, il y a très souvent des phénomènes et, et des manifestations liées par certaines interrelations qui forment, on va dire, l'équilibre de ces écosystèmes. J'ai bien peur que dans ma commune, le seuil de rupture soit atteint un jour l'État, on va dire l'administration, a regardé trop faire. Et ça, je parle en tant que citoyen. Ça, je parle en tant que euh, spécialiste. Le Cap Screen a été créé, je vous dis, en 1973. Euh, Mais avant 1973 déjà, il y avait un grand projet de l'État de dégager une assiette foncière suffisamment importante qui sera euh, qui fera plutôt l'objet d'un aménagement au fin d'installer un peu les infrastructures touristiques. Il y a eu de la pression, l'État a lâché du laisse. L'État a préféré laisser les populations occuper pêle-mêle les terres avec la complicité de tout le monde. Les services de l'État, la collectivité territoriale, parce que à partir du moment où la situation n'a pas pu euh, être euh, concrétisée. Côté planification, avec la parcellisation qui a été faite, désormais, ce sont les populations qui vont voir un privé intéressé par une activité quelconque et c'est l'administration qui fournir tous les préalables qui vont constituer le document qui sera, qui sera régularisé après à la commune Neutrale à l'époque. Au point qu'aujourd'hui, la plupart des passages d'accès à la mer sont obstrués. La plupart de ces accès-là sont tout à fait bouchés. Depuis Cabrousse jusqu'au Cap Skring ici, aujourd'hui, on n'a plus que à peu près 4 à 5 passages d'accès à la plage. Ça ne garantit même pas la sécurité. Ça ne garantit même pas euh, les services que la plage devrait euh, euh, servir, plutôt devrait rendre aux citoyens lambda. 1960, le Sénégal est quand même indépendant. Par la faute de tout le monde, on a occupé de façon anarchique notre littoral. Les populations wala ñaar ci représentant OFOR yi ñi ngi ñuy xamal ne yàgg nañ di gëstu ci naka lañ mën a def ba indi ndox mu neex foofu ci Cap Skirring wante mu doon luy laaj ay études ñu koy def mu doon dérouler ay at yu bëree bëree bëri ci mois de juin 2020 bi lañ doon amal seen inauguration forage maire bi duñu si dollil ne population bi buñ defee ndànk rek dinañ am la ñu bëgg ci num gënee ndax ñoom ñi jiite foofu mbégte population bi mooy seen mbégte te bu ñu amee ndox ñoom seen xel dana dal mi ngi ñëwaat ak ñun itam ci jafe-jafe yi Cap Skirring di jànkuwanteel kii di médiateur bi moom ñëwaat na ci problème bi ak manifestation boobu jotoon na am di ñu xamal ne malentendu la woon entre autorité yi ak population bi waaye gis na ne suñu toogee séq waxtaan dinañ am solution te ku nekk diñ ci mën a jëlee njëriñ Cap Skirring bokk ci domaine tourisme bi ba tax muy génnee alal di ko def ci économie Sénégal wante xaalis boobu di fa génn kan moo si jëriñu na gis nañ ne ñu fa dëkk ñu ngi jànkuwanteeg jafe-jafe yu baree bari mu doon ab jàngat war a tax nit ñi taxaw seetlu si loolo waral ñi ngi woo képp kuy autorité ngir ñu gën a gestu ñooñu nekk ci goxu Cap Skirring tàllal leen loxo mën leen a jàppale saafara seeni jafe-jafe si loolu ñu leen di jaajëfal yéen mbokki internet jot Jotna TV di jaajëfal itam ñañu fekke woon foofu ci Cap Skirring ñu yombalal ñu liggéey bi toog waxtaan ak ñun xamal ñu yan jafe-jafe la ñuy jànkuwanteel ak lan lañuy xalaat ne bu ko nguur gi defee dina doon saafara niki noonu di leen jox dig daje seen quatrième numéro wàllu waa kaw gi si noonu jàmm ak jàmm Boutique est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires sénégalais notre mission est de vous donner accès à des aliments locaux de qualité qui participent à votre bien-être et celui de vos proches au travers d'un commerce équitable. Alamine Boutique, c'est aussi le choix de la qualité et du goût de produits locaux soigneusement sélectionnés et triés sur le volet. Acheter des produits venant de tout le Sénégal sans bouger de chez vous, c'est possible avec Alamine Boutique. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits qui font la richesse de notre gastronomie locale. Arao et Chakri, Central, Kinkeliba, pâte pas et bien d'autres mets. Nous avons une unité fonctionnelle qui respecte les normes de fabrication de produits alimentaires et des points de vente un peu partout à Dakar. Consommer à la même boutique, c'est favoriser un développement de notre économie locale. Consommons juste et consommons local.